Aujourd'hui, on fait face à des problèmes de migration. Pauvreté mi ngi mais aussi technologie UBSI, bees parce qu'il y' a peut-être 30 ans kenn a ni di nga jël bateau wala gal, di en Espagne mais les GPS a téléphone satellitaire am mais téléphone portable amna. nos pays ont des difficultés surtout nous avons autour de nous des pays qui ont une crise sécuritaire profonde. Ni di ni di dem ni di Libye pour l'Europe, parce que l'Europe, ni Europe ci mais la réponse c'est toutes les politiques inclusives président mi au Sénégal mais le résultat ne peut pas être immédiat Le résultat peut am ci 3 ans wala 4 ans wala 5 ans ça aussi c'est la vérité ce qui fait qu'il faut que nous soutenions la vision d'avoir une politique d'émergence mais dans le moyen terme c'est ça la vision accident bi am nak ñu

14 morts on parle d'un quinzième mais il ci nekk ñu identifier ko am nañu 8 RSKP, huit on a identifié que ce sont des sénégalais Inch'Allah, j'ai jot un message, je message bi may mon portable ñu m'a may wax ni dinañu ce si suba aussi ndigal la bu président de la république parce que nos services consulaires et nos services diplomatiques ñu sommes sur place di len dimbali di qui jappalé ci Nouadhibou bi ñu